ce concours culinaire, je disais donc, euh, entre dans ce cadre parce que pour le volet production, des records ont été obtenus. Jusqu'à plus de 200% des zones ont vu leur production augmenter et leurs revenus augmenter. Donc le chef a fait ses preuves de ce point de vue. Maintenant, le complément qu'on est en train d'amener, c'est une dimension du chef qui encourage le consommer sénégalais pour une alimentation équilibrée. Voilà pourquoi euh, la coopération japonaise nous a envoyé une experte qui a travaillé avec l'équipe sénégalaise et les experts japonais qui étaient avec nous ces années passées pour former les femmes, sachant que c'est les femmes à travers le groupement euh, qui sont plus impliquées dans la préparation des mets qui sont servis à nos familles donc c'est pourquoi cette formation a ciblé les groupements féminins pour la préparation de recettes et de, de mets, de repas qui permettent de prévenir certaines euh, maladies. On peut citer le cas aujourd'hui de l'anémie. On est venu ici à Djogo où ce programme est lancé avec le concours culinaire. Djogo où on nous a dit le taux d'anémie tourne autour de 70 à 80%. Ce qui est quand même un problème sérieux. Et que c'est presque endémique à la zone. Et c'est un paradoxe quand même. Parce que c'est à Djogo aussi qu'on trouve le plus de légumes. C'est à Djogo qu'on trouve du poisson. C'est à Djogo, parce que c'est des agropasteurs, qu'on trouve de la viande. Ça peut paraître un paradoxe. Donc tous les aliments en tout cas tous les produits susceptibles, qui une fois consommés, susceptibles de permettre de lutter ou de prévenir l'anémie. Et pour ça, l'anémie y est infoéodé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les populations, les dames notamment, ne maîtrisent pas les connaissances sur les meilleures recettes permettant de donner une alimentation équilibrée, donc de qualité, populations. C'est ce que ça veut dire. La JICA euh, et le gouvernement du Japon ont, fait des projets SHEP euh, en Afrique. C'est pour promouvoir, euh, pour améliorer la revenu des populations en, Afrique à travers l'approche chef Et au Sénégal aussi, on, a commencé des projets SHEP il y a quelques années. Et euh, on a trouvé euh, que surtout les zones aériennes, les, euh, populations ont amélioré la souvenir beaucoup. Et maintenant, on peut recommander apporter cette comment dire, de, c'était bon résultat pour euh, euh, euh, l'amélioration de l'alimentation nutritionnelle. C'est pour ça qu'on promouvoit aussi l'éducation nutritionnelle ici. Et, aujourd'hui, on fait ce concours pour que les femmes montre comment bien préparer euh, les, les, repas nutritionnels. Et il y a six équipes euh, qui, euh, qui, font la cuisine. Et bon, je suis très ravie euh, de, comment, euh, d'être venu ici aujourd'hui. tey jii suñ du jour mooy ceebu ñebbe bu am kecax am légume am yoxoosu am pain am suñuy léegi yu doy ñu bëgg a defar bëgg a def limon toog suñ ceebu tamaate boobu neex a neex ba tax tey jii nag ñu jël raw gàddu bu fii ci jogo xanaa ñu kontaan ci lool nag parce que loolu rek lañ doon xaar nag te moom lañ doon séentu ndax ñun suñ formation dañoo demoon jàngi suñ formation ba nekk ay formateur kon yaakaar naa ne ñun li ñu jàngoon tey jii wéccuwuñu ko te jëfe nañ ko fii ñu doon def tey suñu concours sama mbokki jigéen nga xam ne defaguñu ñun de ñu defal leen formation yi fii ci Diogo bu ñu fi jógee ñu dugg ci gox yi ak gox goxaat yi yëpp ñu sensibiliser nit ñi defal leen ay formation parce que loolu rek lañ fiy jariñ i amaguñ fi centre de formation de waaye ñoo ngi koy jooytu pour ñu wutal ñu ko waa cheb lañ koy joytu pour ñu wutal ñu ko amaguñ ko fii de ñun jigéeni Diogo nag sonn nañ trop parce que dañoo amul ay moyen ñun am nañu ay légumes mais xamuñu woon nu ñu koy toggee waaye heureusement bi seb ñëwee ci la ñu jàngal defal ñu ay formation yoo xam ni tey jii ñun dinañ mën a dugg ci gox yi jàngal suñu morom yi sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ba ñu xam ni ñuy defaree légume bi fii ci zone jogo ak li ko wër